sénégalais yi du di nuyu Casamance plus particulièrement wa Sédhiou donc euh, du wax ne ni que kontaan kontaan rek rek ak euh, mbété aujourd'hui coupe bi ñëw c'est tournée bi ñu di féliciter tout le monde di ko njëkkee ci ci ministre des sports ak suñu maire bi fi nek té mu don ku jambar et je remercier aussi les gens qui sont autour de ça ñoo xamante ñu ngi ci tournée bi

tay gis ko parce que nous xamante yag nga ko wër yalla sutural la may la fan ba nga tek ci je me rappelle le fameux Bata euh, avec le coach Amara ñep japon nañ ni que gagné affaire parce que le ñu yoroon 10. mais xam nga yalla mom fim koy indi ñun dañuy après Bata bi doon Bata bu metti ci ñun mais tey aujourd'hui Boy, tax nañ ba ñu fàtte loolu ñu bari joueurs yu bari participé won ci ci coupe d'Afrique boobu aujourd'hui mu naa leen wax ne ni que sen cœur dafa apaisé wu parce que coupe d'Afrique bi ñëw Sénégal ñun dañ ko doon out, dañ ko doon out, di ci doon xeex amon ci yaakaar lool mais li yalla dogal té boy indi nañ ko donc dañuy wax alhamdoulillah di nan jërëjëf boy et di leen féliciter joueurs yi nek fi aujourd'hui di leen féliciter vraiment. mënoon nañ ko jël bu yàgg bu mais xam nga ñun kaddu suñu kaddu rek lañ am yàlla yore ay mbiram donc euh, bii la ko dogal dañ ko ci sant bu baax di ñaan yàlla li ci topp tegu donc euh, instant yi lañ am une période tout était en place hein, tout était là c'est juste que je pense que les wax qu'on pas la chance de le gagner et les jeunes là aussi aujourd'hui génération binekfi donc euh, ils ont tout qui est là eux aussi et euh, ñu xeex parce que nous avons chance ils ont travaillé parce que le début était dur moi j'ai assisté il y a certains des des joueurs qui ont donné dama téléphone pendant la coupe d'Afrique donc avec 3-4 trois quatre joueurs ils m'ont donné le téléphone. téléphone m'ont donné un message le moment était dur si vous voyez les deux premiers matchs étaient durs c'était très compliqué mais Maniala Khamdani, j'étais autour de eux. J'étais en Angleterre à ce moment-là, qui le club, j'étais à la maison. Donc, euh, mais je vivais la Cannes comme eux. Donc, nous euh, avons ko ni nit ñi dañ OK am chance mon dama dañu liguey ils ont travaillé pour être là parce que la coupe d'Afrique c'est pas juste un euh, dem fofu nek spectateur ou ko wala teud di nelaw pour jël ko non liguey koy djel. dañuy wax ne dañu liguey avoir des bons jours, Ce n'est pas ça qui gagne la Coupe d'Afrique. C'est la gnaque qui gagne la Coupe d'Afrique. Et les jeunes, ils ont montré ça parce qu'ils pouvaient laisser tomber les deux premiers matchs. Ils pouvaient dire, bah, c'est bon, on laisse tomber. Mais non, ce n'était pas le cas. Ils sont partis le chercher. Et ils l'ont trouvé là où il est. Ils l'ont pris. Donc c'est à leur dire merci et de leur féliciter. Moi, je ne sais pas financièrement, je ne sais parce que je ne sais pas je suis, je mais je ma ñaata muy dugg ñaata muy parce que c'était pas du tout mon du sama liggéey quoi man sama liggéey pousse balle. bi la woon bu ma jegee camp rek bu ko jotee rek xool ni ma koy man donc euh, moins, je ne sais pas mais on ne peut pas dire que eux ils ont gagné parce que y a les moyens tout est réuni comme nous, à notre époque tout était là et eux aussi tout était là ils étaient unis ma ça xam ci dara parce que dama len dama don jotone ay nit téléphone du wax diw la diw la mais bu ma ñom ñoom xam que dama don jot ay nit téléphone di leen yónnee message ils étaient unis une réponse Mais me lors, je me suis dit ces gars-là ils vont pas laisser tomber ils vont aller les chercher et je me suis pas trompé sérieusement ils sont partis les chercher et ils l'ont amené en fait autour de tout ça moi je veux pas qu'on essaie de trouver quelque chose je sais que vous posez des questions mais man damay wax c'est des guerriers c'est des lions ils l'ont amené c'est la première fois dañuy ñaan yalla ken xamul kan ah. coupe d'Afrique wala coupe du monde mais dañuy ñaan joueur bu dem kep ku fa assister yalla len ñom matchs. ñu indi sen bi ñu ngi may fay. ñu ngi may contrat. bon parce que man dama bon. Moi, j'ai des papas soldats. Des, mes parents, c'est des militaires. man ñemewuma taxaw sama kanam waajur neko ko damay simmi maayoo dëkk bi damay bàyyi ñemewuma ko. mun naa wax ne yaakaaroon naa ko il y a quatre ans aussi est arrivé à Alanya depuis que ma quitté Chine est arrivé à Alanya mon deuxième année à Alanya depuis que je suis parti à Fenerbahçe bon mun naa ne yaakaar naa ci lépp mais euh, niñ koy waxee. Je ma euh, focus damay nan bu amé amna bu amul ma continuer parce que ñi ñi wo man gënuma len ñi nga xamanteni daw ñu len wo man gënuma len donc chacun a son tour chez le cordonnier. Moi je dis dans le football il n'y a pas de secret tu ne peux pas être dans ton lit dormir toute la nuit tout le, le matinal et tout yeew bëgg a doon footballeur c'est pas possible footballeur da ngay liggéey fi gars yem vous avancer vous da dolli ça fait partie de mes de mes secrets je travaille sur le terrain et chez moi je travaille même chez moi donc c'est pour te dire que aujourd'hui moi fi nekkee ba Je moi j'ai travaillé et je vais continuer à travailler Inshallah Sur mon travail ça fait partie hygiène de vie vie dormir et voilà la muscu courir tout seul. Je suis là assis, j'ai rien à faire. Je dis, je prends 30 minutes. Je vais aller trottiner tout seul. Le mental, le mental ça, je peux te dire que j'ai une mental d'acier. Ah là, par contre, si ça, je avais pas, j'avais arrêté il y a très, très, très, très longtemps. Mais Alhamdulillah, Dieu merci. La tête là, il est costaud. J'avais quatre clubs. C'est moi qui ne voulais pas prendre parce que j'avais des trucs à régler. Il fallait que je règle ça. Mais moi, je sais que je même si j'arrête, je vais rejouer. Les je suis resté six mois sans jouer. Mais dans mon, club, le coach même, il me demande à quel âge. Il m'a dit, à mon âge, je me dit non, c'est pas possible. Mais Alhamdulillah, le senti, tu vois. Donc, euh, je peux te dire que j'ai joué presque euh, la moitié des matchs qui, qui, qui étaient restés. Donc, aujourd'hui, je peux dire que bilan positif, individuellement, vraiment bilan positif. Et c'est sur ce rythme-là que je vais continuer et pour entamer la nouvelle saison, Inch'Allah. Bon, de mon regret parce que je décidé. J'avais d'autres opportunités, mais j'ai choisi d'aller à Fenerbahce parce que je travaille avec un coach, on s'entendait super bien il m'a proposé. Ligne fallait m'a fayon mo gëna bari que marché sincèrement mais j'ai choisi d'aller à Fener parce que colère moi c'est qu'on a coach Bon après arriver là-bas <laughs> c'est pas la même musique que j'ai trouvée là-bas. Donc c'était un peu compliqué mais j'ai rien à reboti fin après bon moi je resterai professionnel ak ni quoi qu'il en soit je resterai professionnel. Ça mon contrat n'a encore respecté jusqu'au dernier jour donc c'est ça que j'ai fait alhamdulillah m'a énervé Je me donne jouer des fois et les joueurs des fois me dit pourquoi tu joues pas bon n'est pas mon choix parce que c'est moi c'est pas moi qui décide Je entraîner tous les jours je pense que je suis le seul joueur où Moussoule manque d'entraînement. eux-mêmes ils le dit musuma manque entraînement et alhamdulillah parce que mon gagne manque entraînement mais le lieu daluma Santiala, c'est juste le corona bi du corona bi corona après je suis resté 10 jours à la maison mais après à part ça j'ai continué à m'entraîner tous les jours mais après il y avait des choix à faire ils ont fait des choix. la première des choses ñu nek ci jamm parce que ñu ngi dem euh, ci saison bu Il y a la préparation Nous avons dem euh, ñu dugg ci préparation ci jamm entamer saison bi ci jamm ñëpp ñep nek ci forme bi ñu nekkoon daw man lolay et di wax ni que bon ñom sommes lu leen xaar lu ngi parce que moi je dis dans ce métier c'est c'est arriver là-haut c'est plus facile mais d'y rester c'est ça le plus dur aujourd'hui ils ont fait quelque chose de grandiose il faut le garder donc pour le garder ça va pas être facile mais ils peuvent le faire bon les na hein, man mais moi, ce que je peux te dire, j'ai pas dit mon dernier mot. Ah, ça, mon, je te le dis. Moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Ça m'a cartouchelé jusqu'à présent. Donc, ça fait partie de, de moi. Dougal ça m'a ligué là. Après, bon, munga am, chance, Dougal. Euh, ce qui peut arriver à tous les attaquants. Donc, euh, c'est juste être concentré et continuer à croire en toi parce qu'il y a un Dougal ça va tomber. Crois en toi, parce que nous les attaquants, on connaît ça. Tôt ou tard, ça va tomber. Donc euh, moi, je dirais à mes jeunes frères de continuer, de croire ce qu'ils sont en train de faire. Et parce que Moussane Kodougol, ben aujourd'hui, il va tombé. Et ils vont le mettre. Non, ça ne fait même pas partie de, ce cadre-là. C'était un truc personnel que j'étais en train de régler. Et ça m'a beaucoup aidé aussi hein, de rester avec euh, mes enfants, ma famille en Angleterre, parce que je les vois quasiment pas. Et ces six mois-là, j'étais vraiment content d'être à la maison avec mes enfants et madame à la maison. J'étais vraiment content. C'est pour cela, ça ne m'a même pas dérangé. Parce que je, je pense que je m'entraînais même plus que les joueurs qui, qui jouaient les championnats. Parce que si tu vois mon Instagram, ce que je suis en train de faire du matin au soir, donc ça veut dire que ces mecs-là, ils ne dormaient pas. Mungiti, Mungiti, leur justice, c'est quelque chose que je que je suis sec.

Il sait. Moi, je sais. Dieu sait. Hum, je suis quelqu'un beaucoup moins dit du Wahien parce que ça, j'étais en train de travailler dessus, ça fait plus de 4 ans. Personne ne le savait. Personne. Même mon entourage, même ma femme qui dort derrière moi, elle ne le savait pas. je <laughs> journal qu'on comme combien Parce que dans ma, dans ma waaw am na ñu ma suturaal nag ñu bëri nag bu ñu yëngatoo rek ma tàkk ah, ah, ah bii moo feeñ am na ñu ma suturaal ñu bëri bu ñu yëngatoo rek ma tàkk te bu ma tàkkee du baax ci ñoom mais yàlla baax na tu vois na dëgg li feeñ rek yàlla na yàlla feeñal dëgg. Sédhiou delloon na ma li ma mérité jël sama tour jox ko stade bi c'est quelque chose boo xamante ne c'est pas donné à tout le monde moi je suis jeune je suis jeune mais je peux te dire que je suis jeune et vieux d'un côté parce que dans mon yirif je dis toujours que Seydou, ça m'appartient Seydou, en fait c'est moi il fait partie de moi sommes en Afrique nous Sénégal nous sommes au c'est pas possible en fait si ça s'est passé c'est pas moi donc Seydou, aujourd'hui vous me ma des stade municipal c'est de dire merci euh, Merci Seydoubi, merci à Diop merci à tous ces gens, de leen wax jërëjëf ci teraanga bi ngeen ma teral nii te en plus dafa jàkkaarloo ak sama kër te looloo ci gëna a neex <laughs> Da may xëy rek da may doxantu rek c'est à 150 mètres je ne sais pas may doxantu rek donc c'est à c'est avec un grand plaisir. des donations ça fait ça fait quoi ça fait deux ans ça fait deux ans c'est c'est dû à toutes ces situations-là. Parce que peut-être nit ñi dañuy fëgg na ni que bon bëgg ko def wala yenn affaire parce que da fam ci limane parce que man lepp logi ci sama vie c'est des moments des périodes même buma bëgg suba suba barke sëñ Bamba mën naa ko def barke sëñ Fallou mën naa ko def buma bëgg suba suba mais da fam ci li ma mënuma détourner loolu dugg ci lenen donc euh, defuma ko Mbour à Sali, mais man ngi koy def Sédhiou. Je koy bokk ak Pakao Agro ouf t'as entendu le le boss c'est lui c'est lui qui gère c'est lui qui gère pour te dire que je connais pas trop je connais pas trop mais il est là-bas à Kermbir. donc employé ça. man gars man gars na gars Je rek na am boudé ben la sax na am salaire bu mu yobou kërëm sotural Lol moo ma indi ko ko fa c'est vrai que c'est un business c'est vrai mais euh, man na sénégalais xëy xëy doomu aadama sax na xëy foofu liggéey weer bu dee ñu fay ko lu ko lew mu yóbbu ko ci njabootam man Lol la gëm quoi. hier journée la boo xamante ne c'était euh, journée bu ma neex lool hier parce que euh, en venant ici à Sédhiou j'ai entendu que la Casa Sport va jouer son dernier match chez lui à domicile. Donc je me suis dit, ça sera avec un, grand plaisir assister Marchibo pour leur dire félicitations et de leur dire merci pour ce cadeau aussi qu'ils ont amené pour la Casamas. Donc euh, c'est pour leur montrer que je suis là, je fais partie de la maison. Il faut faire une euh, rencontre Dougou Tibi parce que moi Dougou je suis là, je suis tourner à Koubi. Je suis eh, man dafa dalde tu vois Nous après ñu dugg stade suis sama grand bi ñu vite fait et j'étais très content on nañ vu, ça fait je sais pas depuis qu'il a pris l'équipe nationale depuis le match de Sénégal Côte d'Ivoire parce que nous, avons dañ foog ne man damay jotante ak Aliou du ma ko gis la c'est là ça fait quoi puis c'est des années c'était hier bi gisante et nous avons li ngeen gis noonu da ngay xam parce que musul am c'est un grand frère comme je dis tous les jours c'est un grand frère donc parce qu'il a un choix à faire je ne suis pas le seul joueur il a un choix à faire donc dico nous dico et de féliciter toute la Casa Sport et joueurs le staff merci beaucoup pour ce cadeau aussi pour la Casamance.